Euh, sant yalla bu baax ci mom mi ñu defal tan ñu ci sénégalais yi nga xamanteni dans cette auguste assemblée. surtout ci quatorzième législature bi nga xamanteni législature jaar na fi mais je pense que les ministre de fi jaar xam législature bi législature avec des avancées notoires. où cette institution a été éprouvée jusque dans son règlement intérieur dans son fonctionnement. Donc on n'a pas à raser les murs, soyez fiers du travail que vous avez effectué dans cette Assemblée nationale. Linga nga je veux dire, le ministre de la justice il est temps que nous stabilisions définitivement nos institutions je pense que nous supprimer le président Diomaye Faye n'a pas le droit de faire comme les autres Nous devons supprimer pour supprimer Nous devons stabiliser définitivement les institutions pour mettre les au service du développement économique et social du Sénégal je pense que le grand chantier de tous les candidats, de tous les prétendants à la magistrature suprême, c'était la réconciliation. La réconciliation des Sénégalais d'abord, mais la réconciliation qui Sénégalais avec institutions. Et je pense qu'il faut que la confiance revenir au cœur des, entre les institutions et les Sénégalais. Benen bi moy papa Djibril Fall pour nek ventriloque la caisse de résonance d'aucune institution. Aujourd'hui, les députés sont les porte-parole et les communicants du Conseil économique et social environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Si ces institutions faisaient correctement leur travail, je pense que Taïtaï, nous parce que nous auprès des populations. Pas, le problème, ce n'est pas les institutions. Une institution n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend de l'usage, tout dépend de la composition. Et je pense que euh, il est évident que nous, en tout cas, nous aligné aligner aussi ci lignes ligne politique mais nous fi aussi pour défendre quoi que ce soit nous nous voulons que ces institutions soient supprimées nous votons nous allons voter pour la suppression de ces institutions mais damay paraphraser vais paraphraser le directeur Bokhamanteni, le président Diomaye Faye mon dites la vérité avant le retour du bâton il faut dire la vérité aux Sénégalais. Et vous êtes en train de rendre un mauvais service au président de la République en voulant lui faire croire que 66 milliards de m'ont réglé les problèmes des Sénégalais. C'est archi faux. Un pays, ça se construit dans le temps. Un pays, ça se construit dans le temps. Un pays, ça se construit. Un pays, ça se construit dans le temps. mais Ismaël, il faut qu'on s'écoute. Mais non, non, demandez-le, Monsieur le Président, nous Non, on arrête là. Mais la politique, c'est deux choses. La politique, c'est deux choses. Avoir la capacité de convaincre et la capacité d'agir. Mais il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on apprenne à s'écouter. Donc, il faut qu'on s'écoute. Dites la vérité au président et à son premier ministre. Et vous, vous êtes en train de faire comme les autres, c'est-à-dire avoir un mandat impératif. Ce n'est pas la vocation d'un député. Donc, quel le donc dites la vérité par rapport aux 760 milliards que nga xamante dire. lañ vous paraphraser directeur dites la vérité avant le retour du bâton il faut éviter le maquillage dites la vérité sur toutes les questions qui ont interpellé l'avenir du Sénégal dites la vérité sur cette fameuse loi bi a parce qu'aujourd'hui, la délinquance galopante partout au Sénégal, c'est parce qu'à un moment donné, on nous a parlé de forces spéciales, on nous a parlé de circulation d'armes, lourdes et d'armes légères. Donc, Sénégalais, mais d'où proviennent ces armes Donc, dites la vérité, dites-nous aussi la vérité par rapport à la lancinante question de l'ONAS. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le, ministre le ministre en charge de l'hydraulique doit mettre le président de la République à l'aise dans cette affaire et la meilleure manière, c'est de se démettre avant qu'il ne soit trop tard. Donc nous, on ira jusqu'au bout de notre logique qui est de contrôler l'action de l'exécutif, qu'on soit ici ou ailleurs, on continuera de faire ce travail. Sénégalais, donc on n'a pas le temps pour le cynisme politique, on n'a pas le temps pour le machiavélisme politique. Aujourd'hui, tout le monde doit se mettre au travail pour permettre à ce pays-là de, de, prendre définitivement la bonne direction. Donc je pense que c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Omar.